sama njaboot sama benn témoin na jàmbaar nga quoi dëgg la dëgg la yàlla fay rek la yàlla fay lépp lépp

Euh, je voudrais tout d'abord euh, remercier parce qu'aujourd'hui on a la chance de faire quelque chose qui est assez important pour nous euh, d'un point de vue religieux, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue culturel. Vous l'avez dit, ça fait plusieurs années, je pense qu'on est dans une ville de deuxième édition sur ça. Et d'année en année, on voit déjà le nombre de mais on voit aussi, je trouve, voir une réussite totale. Euh, les actes que l'on peut, ce sont des actes médicaux, des actes chirurgicaux qui sont assez délicats, mais aussi qui sont tournants dans la vie d'un l'individu, dans la vie d'un monde socialiste. En tout cas, chez nous, culturellement, religieusement, socialement, c'est assez important de faire cette décision-là. Dieu a fait que chaque année, quand on a fait, se, on réjouit enregistrement de, de dégâts. Et ne ce que pour ça, on devait être fier de tout le corps médical qui nous accompagne, de tous les organisateurs également, qui mettent en place les structures, tout ce qu'il faut pour que euh, tout se passe très très bien. Et aujourd'hui, Inch'Allah Rabbi, on n'aura pas d'exception. Ça va très bien se passer. On a, avec nous euh, des hommes de l'art, des médecins, des spécialistes, des chirurgiens, des infirmiers, des infirmières, les sages-femmes qui nous aussi, qui nous accompagnent, les padiens de en tout cas des organisateurs, les tout genre, et de compétences. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on pense que ça ne va pas bien se passer. C'est une réussite, ça l'a été. C'est aussi euh, un acteur qui se passe dans une période de l'année assez particulière, euh, va vers les acteurs de classe. Donc il y a d'autres activités qui nous attendent, des activités sociales. Mais celle-ci particulièrement est très importante et c'est une activité que nous faisons avec le cœur, que nous faisons avec beaucoup de joie, mais aussi que nous avons le plaisir de faire d'année en année et de voir que chaque année, on enregistre des performances euh, renforcées. On enregistre euh, déjà un nombre de poids. Cette année-ci, on a l'objectif de faire au moins 1000 Je pense que ceux-là qui sont déjà enregistrés font déjà plus de 1000. Et tous les ans, c'est comme ça. À chaque fois qu'on se dit que l'objectif c'est 500, on finit par 600 ou 650. L'année dernière, on était à 700, je crois, proche de 700. Et l'objectif c'était 500 l'année dernière. Donc cette année-ci également, on a un objectif de 1000. Inch'Allah, on va, on va le dépasser. Mais tout ça, c'est à mettre au compte également des parents qui nous accompagnent parce que euh, si on avait organisé pour cela, mais que les parents ne participent pas, que les parents ne donnent pas leur accord, leur volonté de nous accompagner, je crois ne n'aurait pas de cette solution. Donc nous remercions tout le monde, nous remercions toute la population de environnement, parce que c'est pas seulement gens que l'on voit dans les, dans, différents secteurs, mais également on voit les populations qui viennent de la qui viennent de Médina, qui viennent de mais tout cela, c'est la banlieue. Et c'est aussi une opération à laquelle nous appliquons. Donc c'est les mêmes populations qui pour les mêmes Quant le suivi mais ben, le suivi, euh, chaque année, on fait la même chose. Euh, les médecins nous définissent un calendrier euh, de, changement des pincements, de suivi des éventuelles complications. il y en a eu très très peu, mais à chaque fois qu'on en a enregistré, les dispositions sont prises que ça ne dégénère pas. Aujourd'hui, avec les avancées qu'on note de façon générale dans la médecine, il y a de moins en moins d'actes qui, nous inquiètent. Donc c'est dire que le, dispositifs dispositif est là. Et euh, les structures sanitaires également nous accompagnent. Nous sommes ici au niveau de la pédiatrie sociale. Nous allons tout à l'heure au niveau des, centres de santé de dépôts, de santé Et partout où on va également, c'est le même dispositif qui est là. C'est le même degré d'engagement et tout cela également, nous devons, en dehors du remerciement naturel qui va à tout le corps médical de la commune, mais aussi remercier particulièrement le chef de district, Madame euh, Docteur Dr qui nous a accompagnés. Il a donné les instructions pour que partout les dispositions soient prises. Mais heureusement également que les euh, responsables des, structures sanitaires ont suivi à la lettre ces instructions-là qui ont été données par Mme le chef de district. Mais je crois que nous, nos position a été très claire. Le président Macky Sall a, fait tout ce qu'il a à faire au Sénégal. Et pour préserver la paix, il a fait un choix peut-être dur, mais en tout temps un choix très responsable. Celui-là de renoncer à une troisième candidature à laquelle il avait droit. Ce faisant, nous, nous avons toujours manifesté notre engagement à ses côtés, notre volonté de l'accompagner dans tous ses choix, y compris le choix du candidat. Heureusement, le candidat qu'il a choisi présente le meilleur profil, a le parcours le plus brillant, mais aussi le plus complet, mais aussi il a les compétences qu'il faut pour diriger le Sénégal à la suite du président Macky Je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui, comprend mieux le PSE pour avoir été en 2014 celui qui a cherché les financements au niveau du club de Paris. Et tout cela montre que personne ne pouvait être mieux placé pour continuer le colossal du président Macky Sall et nous espérons, et nous, sommes sûrs d'ailleurs, que Amadouba, Inch'Allah, le président Amadouba, fera encore plus et davantage pour le Sénégal. Euh, daaw yaakaar naa xarfal nañu jege juróom-ñaari téeméeri xale ren ñu ngi jëm ci junni lu mu néew néew dañu jot a bind sax xam nañ ne romb nañu junni boobu te ak mu ne daanaka noonu lay mel saa suñu nee

am na benn tournant boo xamante ne si jàdd nga ko ci sa àdduna te yàlla bu ñu suturaale bañ mën ci dañuy sant ñëpp ñu nga xam ne am yónnee ñu ci ba loolu mën a nekk tey leen ñu wér comme chaque année parce que médecins yi nga xam ne ñoo ñu gunge euh, aussi structure de santé yi dañuy teg dispositif boo xam ne saa yu xale yi war a changer seen pansement di leen ñëw ñu def ko ci na mu waree gunge leen ba nga xamante ne si ñoom ñëpp ñu ko daan waxee ba ñuy xale dinañ lakk waaw mooy ne dinañu dinañu wér complètement donc loolu euh, defoon nañu at yii yëpp passé defaat nañu ko rek incha allah bi dinañ gunge xale yi ba dara dara dara bu ñu ko ci gis yooyu ñuy bi ñu koy baax di def wàllu waaw dañuy sant yàlla bu baax bi nga xamante ni si président Macky mission bi ko Sénégalais yi dénkoon euh, matale na wax dëgg yàlla def nañu kawe njort ci li nga xam ne moom la ñu xaar ci wàllu liggéey. boobee bañ amee confiance am ci ànd ak moom ci liggéey la ko dénk suñuy mbir la ko nangul it ne euh, yàlla suturaal na ko may ko ak ràññee ba mu mën a xam bu baax a baax li gën ci réew loolee moo tax mu nangu pour préserver pour maanaam euh, wagar euh, sécurité ak jàmm réew mu bàyyi mu troisième candidature boo xam ne mënoon na koo mënoon na koo laaj loolu it tax na ba ki mu ñu tànn nga xam ne mooy Amadou Ba le premier ministre jàpp naa ne moom mooy kii gën ci fii réew mi toll ndaxte PSE bi nga xam ne mooy suñu référentiel Amadou Ba dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ko togg wala bokk bokk nañ ci ko parce que bi ñuy dem di financement yi moom moo nekkoon euh, ministre des boobee def na ci liggéey boo xamante ne si tey ñu ñu bëri ci PSE bi am na ci sa may kon kooku bu yàlla dogalee ñu tànn ko tey pour ñu continuer liggéey ñu Sall ne lépp loo xam ne si président Macky Sall defoon nañ ko dina yokk ci ci ci ci loxo Amadou Ba surtout que nag président Macky Sall incha allah rabi bu bàyyi réew mi daf bu baax ànd ak Ba ñu am fas yéene liggéey ñu yokk bu baax baax toog seen i kenn ku nekk jaaxle foo jëm dugg nga ci mboolem poste santé bu nekk lañ leen la ceeb la diwlin la ndox la boisson la ba pare leen nag am lu nekk yàlla la waaye président Macky Sall mi ngi def kem kàttanam ngir lii moom génn ci réew fii merewul la de fii nga taxawaat tey taxaw nga fi ayaat bi nga limee fukk sax damaa xam ne la nga si biir moo ëpp doole lool ndax fukki yoon ak juróom-benn jongal nga ko ndaw ñi enseignant yi merewuñ la de bàjjanu gox yi ci biir merewuñu la kon boo taxawee fii tey ni dem naa juróom-ñeenti yoon ba ba muy mat fukki yoon la ca des danga koo lëm junni rek nga wax waaye daaw yow dem nga junni ren ji li bindu na junni te bi nga duggee léegi da nga ni mbooleem ku bindu fexe leen ba bu leen tas yaakaar yow Pikine ñoo la yaakaar yow Pikine ñoo am ci yow cofe ngir lan ngir si yërmande waaye na sutura doo nga doon yërmande ci Moustapha la yem dimbali ci Moustapha la yem xeetilee ci Moustapha la yem koo bëgg ak yàlla nga fa àgg ci barke yi